Les auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour. Il vient d'être 11h à Niamey et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, c'est Rukai Draman et Mariam Adey. Bonjour Mariam, comment tu vas Ça va bien Ruki et toi Tranquille ma belle. Alors, quel est le menu du jour Comme d'hab, Mariam, nous débutons avec le flash d'information et comme invité ce matin, nous recevons Oumoru Ego Ampateba, étudiant à la fac des lettres et sciences humaines à l'université Abdou de Niamey, qui est aussi un jeune livreur. Une bonne dose de musique 100% euh, nigérienne vous attend dans cette émission. En reportage des régions, nous irons, nous ferons un tour à Tawa pour parler de problèmes d'eau dans le village de Mozagi. Et eh oui, Ruki, sans oublier les sports avec notre chroniqueur sportif Soumana Amadou, du loti produit par les femmes du studio Kalangu. Et pour finir, on va écouter les messages de nos chers auditeurs et auditrices. L'édition assurée par la dame de fer Adama Dawaki et la technique par Sene Isaka. Comme annoncé, nous débutons cette émission par le flash qui sera présenté par Mokhtar Hamadou. Mokhtar, bonjour. Bonjour euh, Rukayatou Abdraman, bonjour Mariama Adé. Le flash d'information de ce mercredi 10 mai à présent. Mohamed Bazoum, le président de la République, a reçu dans l'après-midi d'hier le ministre togolais des Affaires étrangères, professeur Robert Doucet. Au terme de l'audience, le chef de la diplomatie togolaise a déclaré qu'il est porteur d'un message du président togolais au président nigérien suite à une visite officielle que Mohamed Bazoum a effectuée à Lomé au Togo il y a quelques semaines, rapporte l'agence nigérienne de presse ANP. À l'Assemblée nationale, les parlementaires ont examiné et adopté hier mardi la loi portant régime de la pêche et de l'aquaculture au Niger. La ministre de l'Environnement, Madame Garama Saratou Rabiou Moussa Inoussa, a rappelé que lors de l'examen du projet de loi initial en 2021, l'absence des sanctions a été soulevée par la Commission du développement rural et environnement. La ministre a répondu que ces sanctions seront prises en compte dans le décret d'application le cas des récidivistes est pris en charge euh, dans le Code de procédure pénale et le décret d'application de la loi. Le président de la Commission nationale des droits humains, Mati El Moussa, a présidé hier une rencontre avec l'ONG civique Sahel à Niamey dans le cadre du partage d'expériences avec l'ONG sur la vision de l'État à dédommager les populations victimes des événements survenus à Tamou le 24 octobre 2022. Cette rencontre fait suite à la décision du président de la République de par l'État de dédommager par l'État les ayants droit des victimes non terroristes décédées ainsi que tous les blessés non terroristes suite aux frappes aériennes conduites le 24 octobre 2022 sur un dépôt d'armes des groupes terroristes non loin du site d'orpaillage de Tamou. C'est tout pour euh, le flash d'information de ce mercredi 10 mai 2023. Passez d'agréables moments en compagnie de nos collègues Mariama Ade et Rukayatou Abdraman. Merci Mokhtar et à bientôt. Merci. C'est lui que nous recevons aujourd'hui dans ses studios, c'est Omar Ego Ampateba, étudiant à la fac des lettres et sciences humaines de l'Université Abdoumouni de Niamey. Il est aussi un jeune libraire. Bonjour Omarou. Bonjour. Mais avant de commencer les discussions avec notre invité Umaru Ego, on va kiffer ce son On s'en fout de Moustine Yezi. De toute façon dans la vie je sais que tu fais en critique, l'intendo. On m'avait dit moustine, La vie est belle, j'ai dit ça dépend des jours. On veut kiffer la vie, la vie. Feu de champagne à minuit. minuit, amis, je me méfie. C'est eux qui deviennent des ennemis. Du coup, on fait les choses comme on peut. Comme on peut. Comme on peut. Je mets ma famille à l'aise comme je peux. Comme je peux. Ma vie, je la kiffe, ma vie. C'est pas ta vie, ta vie. Je m'en fiche, ta vie. C'est pas ma vie. Pourquoi t'es jaloux De toi, on s'en fout. D'en bas du bloc, on fait des sous. De toi, on s'en fout. T'es pas mon souci. Non, non, non, non, t'es pas mon souci. T'es pas mon souci. Non, non, non, non, t'es pas mon souci. est belle en haut. T'approches pas, sinon tu vois tous les défauts. La cité dans les veines genoux bien placés si tu parles trop. Ah, c'est Dieu qui donne, ne sois pas jaloux, c'est Dieu qui donne. Oh. Ah, c'est Dieu qui donne, le talent, la beauté, c'est Dieu qui donne. Oh. Eh, du coup, on fait les choses comme on peut. Comme on peut, comme Je mets ma famille à l'aise comme je peux. Comme je peux. Ma vie, je la kiffe, ma vie. C'est pas ta vie, ta vie. Je m'en fiche, ta vie. C'est pas ma vie. Pourquoi t'es jaloux? Jaloux. De ton on s'en fout. D'en bas on s'en fout de on s'en fout, j'ai dit on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, j'ai dit on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout de temps, on s'en fout, j'ai dit on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Dis-moi pourquoi t'es jaloux, jaloux. De ton on s'en fout, d'en bas du bloc on fait des sous, de ton on s'en fout. Moustine de son vrai nom Mustafa Djadji Ousmane est un jeune rappeur né le 1er juillet 1990 à Niamey. C'est à Zender qu'il fera ses années de lycée avant de se rendre à Bamako pour son cursus universitaire. C'est au Mali qu'il a décidé de matérialiser l'un de ses rêves d'enfant, chanter et rapper. Après cette sublime mélodie, nous allons entamer la première partie de notre discussion avec notre invité du jour, Umoru Ego Ampateba. Bonjour Umoru. Bonjour, alors, euh, qu'est-ce que vous entendez par livraison Bon, euh, moi je me suis dit livrer, d'accord Livrer, c'est normalement prendre un colis d'un point A à un, point B, normalement. Ça sous-entend vraiment euh, cette fluidité-là, cette facilité-là de prendre le colis du point A au point B. Mais souvent, c'est un peu, ça va au-delà de ça, en fait. Ça va au-delà de cette livraison du point A vers le point B. Parce que quand tu prends le colis, souvent, euh, avant d'arriver au point B, tu vas passer par A', prime, ainsi de suite, et consort. Tu vois un peu ce que je veux dire. Mm. Donc, euh, c'est vraiment, euh, si la communication vraiment passe très bien, la livraison est l'une des choses vraiment les plus, les plus faciles Alors, à Omar, dites-nous comment êtes-vous devenu livreur Bon, je suis devenu livreur par euh, par conviction, d'ailleurs, parce que euh, j'ai travaillé dans beaucoup de structures professionnelles. J'étais opérateur, donc d'enroulement du fichier biométrique, et j'étais en même temps étudiant. En ce moment-là, j'étais en deuxième année. Donc, euh, on a fini les études et maintenant, on a eu un contrat avec l'État. On est allé en Brousse pour vraiment essayer d'établir le fichier biométrique pour permettre à nos sœurs et frères de pouvoir voter. Donc, lorsque je suis revenu, euh, lorsqu'on, c'était un contrat, d'ailleurs, c'était un CDD qu'on avait signé avec l'État. C'était un truc allant de 6 à 7, 8 mois. Donc on avait épuisé ça. Maintenant, je suis revenu et vraiment les conditions d'études, c'était un peu difficile à l'université. Mhm. Donc je suis revenu, donc je voulais vraiment euh, avoir une autre activité à faire parallèlement. Mhm. Et là, vraiment, il y avait la boîte 227 qui, avait, qui était aussi en collaboration avec UPS. Mhm. UPS, ils ont une représentation ici au Niger. Et donc c'est au niveau de la boîte euh, de sécurité 227, le service. Donc c'est eux qui m'ont appelé. Bon, ils ont l'ancien recrutement, ils ont besoin des livreurs, des trucs comme ça. Et là, j'ai amené mon CV et on m'a recruté sur place. Mhm. On m'a recruté le jour où j'ai déposé mon CV. Pour rappel, euh, Omar, vous êtes euh, étudiant aussi et comment vous arrivez à concilier les deux, vos études et votre activité de ah, livraison Franchement, euh, la livraison vraiment... j'ai fait la remarque que vraiment elle prend c'est une activité qui te prend trop de temps. Souvent c'est vraiment très difficile pour moi de livrer et d'étudier en même temps. Donc souvent, je suis obligé de sacrifier l'un au détriment de l'autre. Souvent, dans la journée, quand il n'y a pas trop de courses, je sacrifie certaines courses pour au moins aller assister à des TD ou bien à des TP à l'université. Souvent aussi, vraiment, euh, quand les gens vraiment ont tellement besoin de moi en ville, je suis obligé de sacrifier les études. Je peux même faire une semaine. Hein, ou plus que ça, même sans partir à l'université souvent, quand vraiment il y a trop de courses à faire, des trucs comme ça. Alors comment vous vous organisez à livrer, surtout dans des endroits vraiment très opposés voilà, c'est ça, au fait, c'est vraiment une question que tout un chacun devrait se poser. Comment, vous faites pour livrer On ne vous donne pas tellement d'adresses. Souvent, on ne nous donne même pas le nom du client. Souvent, on ne nous donne pas son quartier. Souvent, on nous donne seulement son numéro, d'accord Maintenant, vraiment, les gens devront se, demander comment ces jeunes hommes-là, il n'a pas d'appareil, la technologie n'est pas si avancée ici au Niger. Hein d'accord, pour pouvoir euh, vraiment utiliser les GPS. Même ça, parce que c'est pas toutes ou bien toutes les clientes, n'est-ce pas, qui ont vraiment des smartphones. Il y a des clients vraiment, ils ont des petits téléphones. Donc la, la thèse ou bien euh, comment on appelle ça de la localisation, elle est écartée. Donc on se débrouille par les plans. Maintenant, quand on prend un colis, on nous dit bon, madame, donnez-nous le numéro de la personne à qui on va livrer le colis, d'accord. Mhm. Maintenant, une fois le numéro acquis, donc là, on lance l'appel. Maintenant, en fonction des plans, et vraiment, heureusement qu'on est des, on est des euh, comment on appelle ça euh, on est des locaux, en fait. On a, grandi ici à Niamey, on est né à Niamey, on a grandi à... Moi, je parle personnellement de mon cas. Je suis né à Niamey et j'ai grandi à Niamey. Donc, euh, il y a quelques quartiers que je peux maîtriser. Donc, maintenant, quand j'appelle le client, il me fait les plans. Mais moi, vraiment, personnellement, je ne parle pas des autres étudiants. J'ai des plans, j'ai des stratégies, que j'utilise pour me faciliter vraiment la euh, localisation. D'accord, Oumar, mais euh, avec votre euh, employeur, dites-nous, vous êtes payé journalièrement ou vous avez un salaire Bon, ça, c'est vraiment, on va vous toucher un peu le côté confidentiel et on va rester toujours sur le côté <laughs> confidentiel, mais on va vous répondre d'une autre manière, d'accord Donc, au début, on avait un salaire fixe. Mhm. Parce que j'étais avec la boîte 227, quelqu'un soit, si tu veux, tu peux faire 1000 courses hein, mhm. dans le mois, mais tu as un salaire fixe. Mhm. Et vous savez combien coûtent les courses ici à Niamey Dans les quartiers euh, les moins éloignés, c'est 1000 francs. Dans les quartiers les plus éloignés, là, la livraison reste à discuter. D'accord La livraison, c'est en moto oui, c'est en moto, ah voilà, vous voyez. Donc, en euh, fait, on, fait on a choisi la moto comme outil, d'accord Parce que euh, la navigation et la circulation, elle est très fluide. Mhm. Hein, elle est très facile avec la moto, d'accord Donc maintenant, pour ne pas sortir du, cas, du cadre de ta question, je vais revenir à ta question. Mhm. Donc euh, nous, au début, c'est ce que je te disais, on avait un salaire euh, vraiment fixe mensuel, d'accord Donc euh, finalement, on, a un peu, on s'est un peu révolté parce que même si tu fais 4 ou 5 courses, d'accord mhm. On est nombreux. Si un livreur 4, 5, 5 courses par jour, il sera au même, il aura le même salaire que celui aussi qui fait 12-13 courses par jour. Donc, pour vraiment pallier à ce problème, on a décidé, on s'est arrangé avec nos patrons pour avoir euh, un ah. pourcentage sur les courses. Oui, Omar, on va en revenir dans notre deuxième partie de la discussion. Mais avant de continuer cette discussion, nous allons souffler en musique. Nous allons retrouver le feu Sadoubori avec son morceau Yelleru. son vrai nom, Sado Abdou, est né le 28 décembre 1964 à Maradi et mort le 26 juin 2008 suite à un accident de voiture au Nigeria. Il a commencé sa carrière musicale dans l'orchestre Goriba de Maradi avant de rejoindre l'orchestre Carnaval de son oncle Fé Hassan Garba où il connaît la Fidèles auditeurs, nous allons continuer en deuxième partie avec notre discussion. Pour rappel, nous sommes sur ce plateau avec notre invité Umoru Ego Ampateba. Il est étudiant en faculté des lettres à l'université Aboumouni de Niamey et aussi livreur. Alors, Umoru, est-ce que vous arrivez à joindre les deux bouts avec cette activité Oui, bon, c'est vrai, c'est ce qui, en fait, c'est ma conviction, d'accord je suis vraiment quelqu'un de nature qui est passionné par les études. Tout ce que j'aime dans la vie, j'aime vraiment très... C'est les études que j'aime, au fait, <laughs> finalement. Donc, et les études, vraiment, euh, quand les conditions économiques et financières sont difficiles, d'accord Vraiment, euh, la tâche devient un peu plus compliquée. Donc, j'ai essayé de concilier maintenant, d'essayer de, joindre les deux bouts, comme tu viens de le dire, de concilier les études à cette activité euh, de livraison. J'ai essayé, hein, en maintes reprises, mais c'est difficile. J'ai pas pu, mais j'essaierai encore car je vais toujours pas croiser les bras. Je vais toujours persévérer pour essayer de trouver au moins des heures creuses dans ce domaine de livraison là qui peuvent me permettre d'aller prendre les cours à la fac. D'ailleurs, souvent, je viens de te le souligner dans la première partie, souvent quand il n'y a pas trop de cours, je suis obligé de, frauder, quoi, tu vois un peu. Mhm. Je quitte le domaine de la livraison, je pars, je m'assois à la fac, je suis les cours. Au cas où aussi il y a des TP et des travaux dirigés à faire, souvent j'éteins mon téléphone ou bien souvent je suis obligé même de mentir, je n'ai pas le mhm. choix. D'accord Quand les clients m'appellent, je leur dis, bon, vraiment, madame, je suis occupée, mhm. Il y a d'autres qui se fâchent, elles raccrochent. Tu es occupé par quoi Elles ne savent pas. Peut-être pour eux, elles ne savent pas que je suis étudiant. Elles, pensent que peut-être je ne fais que la livraison dans la vie, d'accord Vous avez tout à l'heure parlé d'horreur. La livraison, ça vous prend combien d'heures par jour, par exemple Hey, madame, il fut un temps, d'accord Lorsque j'étais venu, ma première année dans la livraison, c'est vraiment. Euh... Au fait, je me suis. Il y a des matins, quand je me réveille, je me suis. Bon, psychologiquement, je me dis que, bon, ou bien je me suis transformé en, une machine à livrer. Parce que je ne fais rien que livrer. Je ne vais même ni au mariage, ni au baptême. Je ne Je ne fais rien que livrer. Je peux me réveiller à 8h, 9h dans la matinée et revenir à minuit, 1h du matin à la maison. Souvent, il y a même ces, ces, genres de courses-là qui viennent tardivement la nuit. C'est des courses urgentes. Tu viens, tu rentres à la maison à minuit tout étant fatigué avec les courses sur la moto, d'accord Tu déposes ton sac, ton téléphone sonne. Ah, vraiment, j'ai besoin d'un médicament. À la pharmacie, c'est urgent. Vous paraissez très, très occupé. Hein. Je suis tellement <laughs> occupé que vous n'allez pas croire. Voilà, comment se fait le choix euh, des livreurs chez votre employé Bon, au fait, il y a des clients, ils ont le numéro de la boîte, d'accord Ils appellent directement la boîte, ils disent qu'ils ont besoin d'un livreur. Et vraiment, je ne suis pas là pour me jeter des fleurs. Je, dans notre boîte, la boîte dans laquelle je travaille, vraiment, je peux dire que je suis le livreur le plus, euh, le plus ancien et le plus expérimenté. Et il y a des clientes aussi qui me choisissent vraiment. Expérimenté depuis quand Depuis quand vous avez commencé Ça fait trois ans. Trois ans probablement. De 2019, on a finalisé la CENI quoi, en 2019-2020. Mhm. D'accord mhm. on, a, on a fini d'établir le fichier biométrique des élections entre 2019-2020. Donc 2021, probablement, j'ai commencé à livrer. Donc on est en 2023, entre deux ans et trois ans. Tu mmh. vois Donc vraiment, euh, il y a des clientes aussi qui n'exigent que moi. Donc je profite de ce micro et de cette émission pour leur présenter vraiment mes remerciements avec, euh, euh, grâce à la confiance qu'ils m'ont qu'ils m'ont transmise. D'accord, Moro. Est-ce que vous avez une faille de difficulté avec un client lors d'une livraison Ah, les difficultés, ça n'en manque pas. Souvent, je vous jure, je suis obligé de conduire avec des larmes. Ah, souvent, voilà, si ça vous me avez fait tellement, anecdote, voilà. ça me fait tellement mal que je ne peux pas, au fait, ni dire ça à personne et je ne peux ni rien faire parce que la cliente est roi. Donc je suis obligé de garder ça pour moi-même. Et souvent, comme j'ai vraiment les larmes fragiles, et souvent ça coule. Parce que tu ne peux pas comprendre. Une cliente, elle est située à Niamey 2000 ou bien à Bassora, tu t'imagines un peu. Elle t'appelle pour une course. Bon, d'ailleurs, elle ne te demande pas le nombre de minutes que tu vas faire, elle ne te demande même pas là où tu es, pour savoir, pour essayer de calculer, pour avoir une idée du nombre de temps que tu vas faire pour venir. D'accord mhm. Maintenant, tu viens, j'avais eu le cas là, je vous avais souligné ça, il y avait eu un cas avant-hier, ou bien c'était hier, dans ma, j'avais l'impression vraiment de souligner le cas là, dans l'émission là, parce que vraiment, ça m'a tenu au cœur. Tu m'as appelé, tu, m'as tu as besoin d'un livreur. D'ailleurs, tu m'avais appelé avant-hier. Tu m'as dit, tu as besoin que je vienne à telle heure. Je suis venu à l'heure. On s'est bien compris. Tu m'as donné tes livraisons. J'étais parti, j'ai livré, j'ai finalisé. Et je te ramène l'argent. Ça, c'est l'une des difficultés qu'il faut souligner quelque part. Parce qu'il y a des dames, il faudrait que tu leur livres. Quand tu livres le produit, il faudrait que tu ramènes l'argent. Et ce qui est étonnant et ce qui est bizarre, quand tu ramènes l'argent, on ne te donne pas la course. Ah, tu vois En fait, la dame, elle est là, c'est comme si c'est toi qui fais le commerce à sa place. Elle, elle a seulement le produit. Et qui règle la course hein? Non, la course, les clients. Là où tu pars, tu livres, eux, ils vont te donner tes mhm. livraisons des mhm. produits. Maintenant, quand tu vas finaliser la livraison, tu vas lui ramener l'argent. Mhm. Il y a des dames, vraiment, elles sont honnêtes et il y a des dames vraiment. Tu vois un peu ce que je veux dire Parce qu'il y a des dames tellement elles ont pitié des livreurs, quand tu ramènes l'argent, elle te donne un petit cadeau, un petit pourboire. Pour l'effort que tu as consenti, tu as pris son produit. C'est elle qui a le produit, mais tu es parti, tu as vendu le produit et tu as ramené l'argent. D'accord Donc, il te félicite avec un petit cadeau. Mais il faut vous mettre en tête que c'est 1 sur 1000. Ça veut dire que c'est très rare. D'accord Parmi les clients. Donc, je voulais revenir à ce que je voulais vous souligner par rapport à la dame, là, d'accord mhm. Donc, elle, elle m'a appelé, n'est-ce pas, pour une livraison. D'art, j'ai pris la route, je venais chez elle. Elle est ici, au niveau de Bassora. J'ai quitté Kouarakano pour aller à Bassora. Donc j'ai pris la grande voie express là, qui passe vers l'Angelec central vers Francophonie, tu vois un peu. Mhm. Donc finalement, j'arrive. Heureusement, quelque chose m'est arrivé à la tête. J'ai dit, bon, je vais l'appeler pour lui dire au moins ma position, pour qu'elle puisse un peu attendre par rapport à chez elle. Tu vois, souvent, c'est des stratégies que j'utilise. Quand je me rapproche un peu, je vous rappelle, je dis, madame, je suis à telle position, donc patientez-vous à telle minute ou bien tel temps, je serai là. D'accord Maintenant, je viens de l'appeler. Qu'est-ce qu'elle me dit bizarrement Et je ne suis même pas à 200 mètres de chez elle. Donc elle me dit que non, c'est bon. Et que de laisser tomber, elle a eu quelqu'un d'à côté qui est venu prendre le colis. Et livrer la nuit, vous la nuit jusqu'à 0 heure. Je livre. Imaginez-vous les risques que je suis en train de prendre, d'accord <laughs> Il y a des quartiers et les dames, ils voient ça vraiment un peu bizarre. Parce que tu peux pas m'appeler, tu es à Calais Plateau, ou bien tu es à l'aéroport, ou bien à Bassora, tu m'appelles à 23h et que je te dis, madame, je peux pas venir et que tu vois que je suis fautif. Maintenant, on marque l'appel à ces femmes-là ou bien vos clients Bon, vraiment, euh, c'est l'appel que j'ai à lancer vraiment à tous nos clientes, parce qu'on a plus de clientes que de clients, d'accord pour Les dames, vraiment, vous êtes dans le domaine du commerce. Donc, vraiment, essayez vraiment d'accentuer, d'accord, la communication. Essayez de prendre le livreur là vraiment comme vraiment quelqu'un de proche de vous. Et là, vous allez éviter de dénigrer les livreurs. Livrer un, produit, c'est très difficile. D'accord mhm. Voilà essayer d'établir vraiment la communication, car la communication, pour moi, vu l'expérience que j'ai dans la livraison, c'est la chose la plus importante dans le domaine de la livraison. Voilà. Merci Omar pour votre disponibilité d'avoir honoré notre invitation. Je vous en prie, madame. Restez disponible, toujours disponible. Peut-être on aura besoin de vous. Vous n'avez même pas à vous inquiéter. <laughs> Dès que vous avez besoin d'autre chose, vous pouvez me faire signe. Je suis à côté, je répondrai à votre appel. ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. C'est l'heure de la rubrique hebdo. Et eh oui, Ruki, aujourd'hui dans notre rubrique hebdo, on va parler environnement. Nous mettons aujourd'hui l'accent sur l'accès à l'eau potable au Niger où la moitié de la population n'a pas accès à l'eau denrée. Pour euh, Ousmane Dambadji, président du réseau des journalistes nigériens pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA, c'est le manque d'investissement dans ce secteur qui explique cette situation. Il est interrogé ici par Rahila Toussoumana. Au Niger, un Nigérien sur deux n'a pas accès à l'eau potable et le taux d'accès à milieu rural tourne autour de 45-46%. En milieu urbain, le taux tourne autour de 98%, mais avec disparité entre les régions, entre les villages, entre également les localités. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui explique euh, un peu cette disparité de l'accès à l'eau entre euh, les zones euh, urbaines et les zones rurales Il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer cette disparité entre le milieu rural et le milieu urbain, parce qu'en milieu rural, la gestion de l'eau est confiée depuis quelques années aux collectivités territoriales. Donc, quand un forage est réalisé en milieu rural, c'est maintenant à la commune de trouver un délégataire et gérer l'eau correctement en fonction de charges naturellement du délégataire. Donc c'est pour ça que vous allez voir dans certaines communes, le mètre cube coûte 400, certaines communes 300, d'autres même voire 600, 700 francs CFA. Donc voilà pourquoi ça explique cette disparité. Mais en milieu urbain, comme c'est des centres concédés, c'est la Seine, qui gère le transport, la collecte et la distribution, là, l'État a subventionné toutes les tranches sociales. Ce qui veut dire que de 1 mètre cube jusqu'à 10 mètres cubes, l'État a subventionné. Vous allez payer 127 francs le mètre cube jusqu'à 10 mètres cubes, ce qui correspond à 50 tonneaux la consommation d'une famille vulnérable. Mais malheureusement, cette situation ne profite qu'à ceux qui ont le moyen. Parce qu'en milieu urbain, ce n'est pas toutes les familles qui ont un robinet. Ce n'est pas toutes les personnes pauvres qui ont un robinet. Donc, par conséquent, si elles n'ont pas de robinet, c'est évidemment les familles nantis qui profitent toujours de cette opportunité. Qu'est-ce qui a été prévu pour réduire cette disparité le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, a prévu dans son premier mandat la réalisation de 460 000 branchements promotionnels. Cela, particulier, va permettre à des familles pauvres d'avoir chacune un robinet chez elles et, elle va profiter effectivement de cette opportunité que l'État a donnée dans la subvention de tranche sociale. Voilà également pourquoi le président a prévu également la réalisation de 10 000 bonnes fontaines pour permettre également toujours à ces familles pauvres d'avoir accès à l'eau potable. Et à milieu rural, c'est 45 000 points d'eau équivalents points d'eau que le président de la République prévoit naturellement de réaliser. Donc c'est ça qui va permettre en tout cas au secteur de l'eau d'amorcer son développement et de réduire les inégalités extrêmes entre effectivement les personnes et de réduire effectivement, comme vous l'avez dit, les disparités entre les villes et ces campagnes, entre les villages effectivement et hameaux. Merci Leila Toussoumana pour ces éclaircissements. Marquons à présent une pause musicale pour retrouver tout pour moi de l'artiste Kala. Il est ici en featuring avec Mint The C'est Kala son vrai nom, Ousmane Abdraman Mahmoudou a commencé la musique rap véritablement au début des années 2000 et chante en Hausa, Zarma français et anglais. C'est avec l'avènement du mouvement hip-hop au Niger qu'il a évolué dans son premier groupe en duo dénommé BMA Big Men's of Ader. Ce, et ce groupe malheureusement n'a pas fait long feu. En 2003, Carla forme un deuxième groupe appelé Wassa Boys. Le groupe a eu beaucoup de succès à Tawa où plusieurs concerts ont été organisés dans la ville et quelques villages de la région. Au début de l'année 2006, le groupe Wassa Boys a remporté le premier prix au festival rap à à Agadez et de la même année, Kal a décidé de quitter son groupe pour embrasser une carrière solo. Après avoir quitté le groupe Wassa Boys quelques années, quelques mois plus tard, il a quitté Tawa pour une aventure à Niamey, la capitale du Niger, dans l'espoir d'enregistrer un single. Aujourd'hui, on peut sans risque de se tromper dire que la guitare avec laquelle il chante d'ailleurs en solo a vraiment changé la vie de elle est devenue sa source d'inspiration, sa compagne et son arme, et il ne s'en sépare jamais. C'était tout pour moi de Mr. Kalrou qui a présent direction Tawa pour le sujet régional. Le village de Mozagué, situé dans la commune de Sarnawa, département de Bernikoni, région de Tawa, est confronté à un problème d'accès à l'eau potable. Ce village qui compte environ 6000 âmes vit cette situation difficile. Elle expose à toutes les maladies hydriques et cela inquiète les habitants. Le reportage signé Asman Moussa Arzika. kuma ke da tazarar kusan kilomita 25 da gundumar birnin kwanni mutanen garin da yake fama da matsalar ruwan sha sakamakon musamman karamcin rishiyoyi na shan ruwa da kuma famfuna wannan yasa mai garin na Musa ke yi muna ƙarin bayani dangance da irin matsalolin da suke karo da su musamman ma a fannin lahiyar al'umma wannan yanki. Matsalar ruwan sha haka nan muna fuskantar da saboda rojin da dai an kai muna ba su shayuwa ruwan ba su da daɗi kuma suna tare da kyallai bayan haka ga yanzu da muka magana ga da kai cikin hadama mata na can duk sun bar gidajen suna can wurin bidan ruwa komi dare kuma yanzu ruwan murtsacen da muka yi na na aikin rani shi ne muke ɗebowa shi shine muka fomfe mu kawo musu in dare ya yi kuma waɗanda ba su da halin su ɗauko kamar suna da sharat ko wani abu ba su da hali suke tsaya da kansu cikin wadama ko mi dare kana jin motsin zuwa da komowa na mata da yanzu ruwan da muke sha in rojin da nake muka yanzu muna ɗiba ruwa an kai ruwan fadama shikenan su surihi kuma ruwan nan na fadama da dauɗa su da komi su ne za mu ɗauko mu sha shi yasa ko da yaushe akwai matsalar fitsarin jini akwai matsalar amai akwai matsalar zawo duka waɗanga kasan in ruwa ba su da kyau sai an same su ganin famar da suke yi na nemo ruwan sha domin yin bukatocinsu na yau da kullum shine yasa mutanen garin kira ga gwamnati da masu hannu da shuni domin kawo ƙashen wannan matsalar da suke fama da ita. Gudana mun yi kan kogi hattawa kai har mai mun yi biɗa idon sani mun kusance su Allah har yaudai bai samu ka dace ba. Amma muna cikin nema. kuma muna fatan gwamnati ya kula da mu. A nasu bangare su ko mutanen garin Musage sun yi muna ƙarin bayani ne dangance da musamman irin gwagwarmayar da suke sha na nemo ruwan sha a cikin garin. Masu a ai mana kwakwala ko murtsatsi ko kwanhuna. Mu kama ganin arka ne mana jijjibi mu a wahala wurin bidan ruwa. Kana aiki sai ka aji sai ka ta wurin bidan su saboda babu su kwasa-kwasa. Yanzu haka ma matsalar da gare mu ruwan hillani na muka duka su yi ta faɗa. su ta faɗa da musu ce ina mazan muku babu babu ruwan na duka duka babu ruwa suna ganin abin su suna bai nan na muka samu a dan dokuwa to matsala ka akwai ta gari ta rashin ruwan sha in lokaci ya yi rani yayi yi rani bakin matsala bakin wanda muke da ita ta rashin ruwan sha eh kawai lokacin ga kuma sannan ruwan ruwan ga na kasar sha, kuma akwai matsala gare su dan kasanta gare su eh ta yasa diyan mu tsarin jini kai hamu ma owaye akan ruwan ga na kasa Yawan magabata ka in mun samu son wadda muka son samu a taimake mu da ruwan sha. To gaskiya ba mu da ruwan sha isasshe. Dan wallahi gaskiya muna da matsalar ruwan sha. Dan kaga yanzu an ce ba ko da damana ta sabka game da takin gada aka watsa a cikin hadama da abin gashi na tsakanin tumatir da albasa hakukuwan in lokaci yayi za ga ruwa sun ɗauki wani tsawon washar in ma ka shiga cikin kai sai kai kai wanka sai ka cikin kana kaikai kaga wannan ko dole ala dole hakan suna maka sha ba mu da ruwa rijiya wadda za mu shaka ta wadda ta kamar ma da muka sha ruwanta da noma nan dan turgidan noma motsa girno ba mu da rijiya da muka shaka ta wadda muka sha ruwa isassa gaskiya muna da matsalar ruwan sha da sun samu ne muna so a taimaka mana da furaji na ruwa ko rijiya da za mu sha ruwa eh kaga kenan duk ƙauyen suna da ruji muna tare da wanda shida mana rahoton ga akan layi alo alo assalamu alaikum ina kwana usman lalai ina kwana kudai alhamdulillah usman muna so mu sani muna so mu san da kuwa rahoton ga a cikin ƙauyen na ya ku gani yanayin fuskokin mutane game da matsalar ruwa to a gaskiya lokacin da na hada wannan rahoton da na aisa a cikin wannan garin na muzage na isko mutanen suna cikin babbar matsala sosai na rashin ruwa dan na ga yadda mutane ke ta kai da kawo ba tun daga rana har zuwa marici har zuwa mangare har dare kai wajen wajen wajen isha'i ina dare ina ga yadda mutanen ke wahala suna ɗauko ruwa suna neman ruwa wuraren da ya kamata su samu ruwan. Alo Usman ina kwana? Ruka yake daga studio Kalangu. Aha. To ko da ka yi wanga rahoto yalla eh. kun gamu da wasu matsaloli. To lalle matsalolin da ban gamu da matsaloli ba masu yawa saboda duk waɗanda saboda mutanen dojiya mace suke eh, ko da nufin kare su da wannan dama abun yana cikin su kawai kai tsaye suka bani amsar abin da nake nema a kansu. To ke yin su wannan mutane wani kira ne suke ma gwamnati? Me suke jira gwamnati? To abin da suke kira ga gwamnati ko ko masu hannu da shuni ma gaba daya na a kula domin ganin cewa an samu musu ruwan sha a cikin ƙauyukan nasu saboda yaƙi da irin matsalolin da suke fuskanta na matsalar ruwa. To Usman mun gode. Aha to mun gode. Na gode sosai. Nous sommes sur ce plateau avec notre chroniqueur sportif Soumana Amadou. Bonjour Soumana. Bonjour Ruki, bonjour Mariama. Bonjour Souana. Aujourd'hui, nous allons parler du championnat national de football du Niger. Et eh oui, les 14 clubs, dont 9 de Niamey et 5 de l'intérieur du pays, engagés dans la Super League de cette année, sont regroupés au sein d'une poule unique où ils affrontent deux fois leurs adversaires à domicile et à l'intérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement final sont directement relégués et remplacés par les deux meilleures formations de la deuxième division, l'ASN Nigelec est le tenant du titre. Le championnat a commencé le 11 novembre 2022 et doit se terminer en juin 2023. Le champion du Niger se qualifie pour la Ligue des champions de la CAF 2023-2024. La place euh, en Coupe de la Confédération 2023-2024 est réservé aux vainqueurs de la Coupe du Niger. Si un club réalise le doublé, c'est-à-dire gagne les deux compétitions, c'est le finaliste de la Coupe qui obtient son billet pour la compétition. Les 14 équipes qui participent à cette édition sont AS Douane, AS GNN, l'équipe de la garde nationale, AS Fan, Urana FC, AS Police, Union sportive de la gendarmerie nationale, Jean Gorzo FC, Liberté FC, ASN Nigelec, Sahel Sporting Club, Olympique FC, Espoir FC, Akokana FC et enfin Jeunesse sportive de Tawa. Alors quel, est le, classement prévisoire en ce moment À la fin de la 17e journée, la SGNN, l'équipe de la garde nationale, est en tête du classement avec 36 points, suivi de la police 32 points, la troisième place revient à l'AS Douane, 31 points. En bas du classement, Akokana Darlit, 16 points et 13e. Enfin, 14e et dernier, Jangorzo FC de Maradi avec 8 points. C'est tout pour aujourd'hui, Mariama. Merci, Soumana. À la prochaine fois. qui place à présent portrait du jour. Pour le portrait d'aujourd'hui, nous irons à Maradi où notre envoyé spécial a rencontré un vendeur de chaussures du nom de Siraji Mousba. La trentaine, Siraji a exercé plusieurs petits métiers avant de trouver sa voie dans ce commerce. Grâce à cette activité, il a construit une maison et a fondé une famille. Néanmoins, il est à la, recherche d'un autre métier plus rentable selon lui. takalma taka na maza da na mata gaskiya na kai shekara goma sha biyu na sai da su kayan wani suna na dan bige-bige dai haka ne ba suna bace ba da inje na in dawo na inje na in dawo ban taba Najeriya ban taba Libi ba ga zandar ne nake dan kasuwanci na ƙanana haka dankali ne nake saidawa da tumatir yanzu kuma ka canza hannu eh na ina sayar da takalma nawa nawa ne takalma takalma ina sayar da tafi 150 ina sayar da shi jika guda ina sayar da shi 300 wani illa ne kake samu cikin wannan sana'a a gaskiya babu illa ina samu alheri sosai ma gaskiya ni da ne ka samu cikin wannan na sayi gida na sai inji kuma ina kasuwanci na kuma lu ina da mata wata daya na biyu menene burin ka cikin wannan sana'a su ne wannan takalman su ne buri na eh me kace ne ka samu cikin wannan sana'a nan zuwa ga abun da hi wannan sana nake so in samu kuma hallo kamar a ara ko an ta zarge ta wanda ta wannan ci gaba hallo to wani kira ne gare ka wurin mata eh, matasa da ke zamna gaskiya su ma kansu wada gaskiya su kama sana'a gaskiya zaman banza bayyayuwa ne gaskiya da sana'a yanzu baka sana'a baka kare mutuncin ka ba inda ka ta a ta za dauke ka tunda baka sana'a Merci à Bibo Garba pour ce beau reportage. Nous allons maintenant savourer le morceau Arné du feu Moussa Poussi. Moussa Poussi. Maintenant, on retrouve les femmes du studio Kalango. Le loti d'aujourd'hui, Marie parle des violences conjugales que subissent certaines femmes. Beaucoup de femmes, tant en milieu rural qu'urbain, en sont victimes. Il y a des hommes aussi qui sont violentés par leurs épouses, mais n'osent pas en parler. Comment faire recours en cas de violence conjugale Écoutons la, chronique loti de Rekia et Rafika Taher.

demat kan ni moyo fusunda a'a hmm. nyai salamme ni kan no ay kwaara bora day no ne kar kaŋ a ga nga cale alboro kar no ni bo ni ga te matano ayi gite dai cibar fose man tayi ne fuwo tanka feeri no ifo no ga ci ciwo ni sibai kan alboro albor ni kar ni boro kulu se a ga filla no hmm. Ni bai ai bumboi farga amma hina kulsi ai se ah ni gwanda hina kai to mata nai gite aha so honno ni sala sintina ga dai ni himu ga kwai ga loktor kwaratira kan si ga ne medical te Loktor kwaratira mata no iga te da to hanga nai se gama zani kwara boranin kar zurgu kwai ga di loktor kan gini guna amma loktor kwara tira nonise din sin da hina kwai juju kwara ga ce karyan maga wala dinga ba a mutai wasu wasi bon ni makwai polis sai doga ce ni ga bai kan ai dihi na kulu ai mai ne kalan do noru norfo hai kunno ni sino su yan gona kan ga wai borai kan dihi na ga ka sinai kitai fondaira ni kwara bora ga ga kwai kasu handu hinka wal an bisa yada da annin marai gumo hin ga ba a jukke aha oho me walmo am tarai kasu dana ya fahaniga amma haifo gono dirawo ga hinga tuwaran sai halfa yanga ya dinga igi hinga sai. hal imaino ai alhakai ingano ai goga tabiya kine amma hagwai da ni kwara borace kan ninno na tonye wala walmo nina wauseno aninkar igi hinga dogonan da ase ya dinga ma hagwai fa dogonan diyan no gati yadin koi ne sanda igi hinga zabu sai ka sora gwara. oh sonno ai faham ai sabo ai chara to ai chara abori irko dai makanda dogane wai bor kunno man ga yardan da imakar zama wai boro man tifon borno Merci à l'équipe femme du studio Kalangu pour leurs conseils qui sont toujours très utiles. Passons à présent à la culture linguistique. Aujourd'hui, nous en serons plus sur la cohésion sociale avec Moussa Hassan. Bonjour Moussa. Bonjour Mariam et bonjour euh, Rukaya. Bonjour. comme euh, annoncé, aujourd'hui nous allons parler de la cohésion sociale. Donc cohésion sociale et cohésion de groupe désignent les liens qui relient les membres d'un groupe social les uns aux autres et au groupe dans son ensemble. La cohésion sociale, c'est donc la capacité d'une société à assurer le bien-être de tous ses membres en réduisant, les disparités et en évitant la marginalisation. Elle suggère que les membres d'une société doivent se sentir suffisamment solidaires et semblables, dépendants et proches les uns des autres pour pouvoir vivre ensemble. Elle implique le partage d'une certaine communauté de normes, de valeurs et de projets. Et c'est d'ailleurs pourquoi au Niger, les autorités soutiennent que la cohésion sociale est une composante nécessaire et incontournable pour le renforcement de la résilience et améliorer les résultats de bien-être à long terme dans les zones sujettes aux conflits, notamment les conflits en cours, aux catastrophes naturelles et à d'autres chocs et stress. Donc, euh, pour le résumer en Zarma, euh, cohésion sociale en Zarma, ça veut dire labi zai gama wafaka wafaka ti boriyan kayan go bafu ne de kunda fo dumi fo wal dumi wani wani yan wal goy fo boriyan de kayan haifo ni margu go bafu ne de i gama wafaka tika la wafaka din no gace kan hari no gono kan ni margu kan ikul danda kan ga bora kulguna kan ga nan i ba ibafuna din amte matka ge manda ya dinga dine labuno gondo wafakai sandan labuno kan ra labi zai iya da hari fo ban kan gannan ngai ba funa mate ka buri kamar ganda haya ni kan ngai kudda ngai jine kan gannan bai kul kawani bai kul yababe fayan fayan kam sifur ga gamara mu yani nga al ummu kul kara wa faka go a ganin bai kulum dan nga binara nga hamora nga terera kan nga da boro wani wa kan go jarga ngai man carga to nan kan afu kulu go cɛla chela duri afo kulu go bangi chela se gomni duri kanto chela kulto unga ngi mono ganan iba funadin ama gai ama dumi fonda hannara ngi kande ini labo rawo bumbo hino jin bore ina danno labo ganjera kan ganan labi zai mun nafanda wa fakadin ka ngai bonkati bi disan dai foka ka garu bafuna kai gogite imdi fondo kan ngai gana amma bori kutanton yadin no alors chers auditeurs et auditrices si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais en hausa en zarma en tamashek ou en fulfulde n'hésitez surtout pas de nous laisser un mot au 82 89 89 64 alors Mariam il est temps pour nous d'écouter nos auditeurs nakasini nalkhasan saqdun shaqasrin shiritan studio kalanguisa grazanan wulin studio kalanguisa lan zazni natjahan de tamaja de tefun ki awalat san kitni de studio kalanguti taggi nisli tsdan wargisa lan qasa tafu tafu tilalin gotni radio tin watin kim program ye gen zuwira na tamo kalangu aksad nubasta de waran yegum de shiriwan ne hulagin yahuza hanyame hulagin yahya hanyame tada hulagin fatima tada hattawa in hultani kullu nasan sansa salina namar fil studio kalangu نجت نتباسط ما كورد مساس أجت نود ورت في استديو كلام قصة ويا هاريتا رول ما جنود ورت تنبيز استديو فاطمة أشي غزرة استديو كلام قو كراسنا أنا ولي أسو فران إميسيون أنا سندي كني ورنا كرسام كرسم ده قرر سلام نكالنا نما أشي غزرة إنكي كراسنا كمان نقول سلام نكاليان استندنا هانتا غليك نندا نسالو تمخوتر نغليك نسالو أردن كله ونيا عقل كراسنا استديو كلام Je m'appelle euh, Yanous Mamman Kadadi. Je suis le président départemental de personnes handicapées de Gaïa. Oui, euh, présentement, je suis à Gaïa. J'écoutais Studio Kalangou euh, et j'entends les sensibilisations qui sont en train d'être faites pour la scolarisation des enfants handicapés à travers l'inspecteur Gaïa 1 et nos membres de la fédération départementale des personnes handicapées. Vraiment, je suis très fier et j'apprécie vraiment eh, le soutien de la radio Faraa et le studio Kalangou qui sont en train de nous accompagner, divulguer la sensibilisation sur la scolarisation des enfants handicapés. Vraiment, rien qu'à chaque fois, il y a une activité, et eh, à rien pour les médias, mais vraiment, ils viennent en aide vraiment pour euh, partager ce qui est en train d'être euh, fait, à l'égard de personnes handicapées. Vraiment, ça, nous vous donnons un coup de chapeau. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Accueillons à présent de ce Fika Attaher pour connaître les titres de la grande édition du soir. Bonjour. Alors, pour la grande édition, de ce soir, nous avons l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants qui a présenté ce matin près d'une tonne de drogue saisie dans la ville de Gaïa. Plus de précisions ce soir. La méningite dont des cas ont été détectés continue d'évoluer dans la région d'Agadez. Vous aurez l'évolution de la maladie avec les responsables sanitaires. Ensuite, la partie magazine de ce soir va porter sur le décryptage de la situation sécuritaire dans la région de Tilaberi avec un acteur de la société civile. Merci ici prend fin cette émission. Vous étiez avec euh, Rukait Abdraman et Mariam Adey. L'édition a été assurée par Adam Adawaki à la technique Seine Isaka. Bon après-midi et surtout bon appétit à demain.